干活。 un lycée scientifique d'excellence. Le premier du genre se trouve à Durbel. L'établissement va accueillir les meilleurs élèves du cycle secondaire. Condition d'admission, avoir 15 sur 20 au moins dans les matières scientifiques en 4e et 3e. Une moyenne générale de 14, avoir le BFM e et pas plus de 17 ans. Plus de détails dans le dossier de cette édition. C'est la fête du mouton et c'est l'un des événements qui sollicite le plus les bourses et le ventre. Alors comment s'y prendre pour éviter les abus et certaines maladies Ce soir dans la rue de santé, quelques indications sur la manière d'abattre, euh, de cuire la viande ou de la conserver. Dans Couleur du Sénégal, le port de Kaolack, le deuxième plus grand de l'Afrique occidentale française dans les années 1900, Pas moins de 1700 pavillons y ont amarré pour l'exportation de l'arachide notamment. Aujourd'hui, l'infrastructure offre un visage moins reluisant et espère réhabilitation et puis excursion dans les îles Carona, à Cuba, dans les beaux paysages, paysage de la Casamance, une île qui souffre de son enclavement mais qui prospère dans la joie, avec des populations qui ont fini de se prendre en charge loin des centres de décision. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans le cadre de ces entretiens avec les hautes autorités pakistanaises, le chef de l'État a rencontré le président de l'Assemblée nationale de ce pays. Des discussions fructueuses autour de questions d'intérêt commun. Le compte-rendu dans notre envoyé spécial au Marnig. À la suite du Premier ministre, c'est le président de l'Assemblée nationale du Pakistan qui s'est entretenu avec le président Macky Sall. Pour donner plus de chaleur à la rencontre, il a choisi le banquet. Le format a permis des échanges fructueux sur les sujets d'intérêt commun exchange views. J'ai eu l'honneur et le privilège de rencontrer le, son Excellence le Président Macky Sall. Ce séjour aura été court, mais nous avons eu l'occasion d'échanger sur euh, nos expériences respectives. J'ai trouvé que nous avons beaucoup de questions d'intérêt commun et Monsieur le Président, de la République du Sénégal a juste lancé un élan un, processus après la visite de notre ministre de la Défense euh, au, Sénégal et j'espère que nous aurons l'occasion de, recevoir ici euh, pour un plus long séjour et puis également d'avoir des, des, échanges de délégations beaucoup plus fréquents entre nos, entre nos deux pays. Les plus hautes autorités pakistanaises se sont donc réjouies de la visite du président de la République. Les actes qu'elles ont posés reflètent l'intérêt accordé à cet élan que le président Macky Sall donne à la coopération entre le Sénégal et le Pakistan. Kédougou résolument tourné vers la recherche de l'autosuffisance en riz. De vastes surfaces sont emblavées et les services de l'État sont prêts à augmenter les aménagements. En visite dans la région, le ministre de l'Agriculture a pu faire le constat. De son côté, la Solifitex est en train de monter une riserie de 3000 tonnes par an. Abdoulaye Sinkaré. Au bout de deux heures de piste, le ministre et sa délégation débarquent dans la vallée de Sambangara, dans l'arrondissement de Dakatili. Sur ce périmètre de 350 hectares, différentes variétés de riz sont cultivées. Ici, le potentiel est grand, mais tout n'est pas aménagé. Pour la commercialisation, ça ne pose pas de problème parce qu'en fait, on a commencé avec le PA qui est fini, mais la Sodefitex a pu acheter quand même presque la totalité de la production de l'année dernière. Donc, le problème qui se pose, c'est un problème de matériel agricole, un problème d'aménagement Ici, ça fait partie des communes prioritaires où il est prévu effectivement de poursuivre le processus d'aménagement dans cette vallée. En tout cas, elle en fait partie. Il y en a d'autres, mhm. je ne les ai pas par cœur, mhm. mais euh, en termes d'aménagement, donc nous allons encore augmenter. Après Sambangara, cap sur Bandafasi. dans le village de Santanko, un grand producteur est à l'honneur. Sambadialo est à la tête d'une exploitation de 57 hectares, dont 35 de riz, et fait de la multiplication de semences derrière ce vert décor les difficultés ne manquent pas. Euh, nous avons un problème de piste ici nous travaillons de à surface il faut nous aider à avoir un magasin de stockage. problème magasin Pour accompagner les producteurs, d'importantes infrastructures vont voir le jour, comme le centre de traitement des semences de Kédougou avec son laboratoire et bientôt un magasin de stockage pour Santanco. Un centre de traitement est en cours de, euh, construction dans la cour de l'ADR par le PADER pour que désormais qu'il y ait production de semences sur place accompagné avec Bamtare et tout le monde, et le traitement sur place. Et le poste récolte également euh, euh, l'appui à l'acquisition du matériel. Grâce à votre appui, pu accéder à des tracteurs que nous avons utilisés ici, qui ont permis de faire le labour, pour 134 euh, 62 hectares, 134 dans l'ensemble, euh, donc euh, qui permettent d'améliorer les prestations pour les agriculteurs. L'allure sobre, Papa Abdoulaye Sek a débarqué dans les champs en privilégiant l'écoute. Avant de quitter Kédougou, il a fait un tour à la riserie maromaine de l'assaut des FITEX. L'infrastructure va coûter 100 millions de francs avec une capacité de production de 3000 tonnes, extensible à 6000 par an. Trois morts, deux filles, un garçon et des centaines de sinistrés. C'est pour le moment le bilan d'une tornade qui a frappé dans la nuit du 5 septembre la commune de Mban et environ. Des rescapés de cette catastrophe sont sans abri et appellent à l'aide. Notre reporter Lamine Touré est allé à leur rencontre. Après la pluie, c'est le beau temps, dit-on souvent, mais cette fois-ci, c'est l'inverse total chez les populations de la commune de Banne. Dans la nuit du lundi 5 septembre, un vent d'une rare violence accompagné de fortes précipitations a occasionné d'importants dégâts. Des maisons sans toit, des pertes en vies humaines, le décor est alarmant. Ici, à l'entrée de la commune, les victimes retracent le fil de l'événement à un moment donné on a constaté qu'il y avait des maisons qui s'affaissaient et aussi on voyait qu'il y avait des murs aussi qui tombaient des arbres donc survolés et à ce moment-là on a constaté que donc c'était une sorte de cyclone une sorte de tornade donc, et qui faisait, qui ravage à tout ce qui était sur son passage. L'essentiel a été sauvé pour Fatima Anne, mais chez Roqueya, c'est tout le contraire. Sa fille de 15 ans a perdu la vie dans une bataille féroce contre ce destin mené ici même. Il a fallu un miracle pour sauver le reste de la famille et c'est elle qui a alerté les voisins malgré son âge en pleine nuit. sama fii la yem affaire fii la yem si man lii rek laay waxee ma ne ñëwal mu ne dama liw maa ngee dee noonu ma def nii rek fekk sama loxo bi ma bi jàpp nag ma jël sama loxo bi di laaw noonu gis saak si kaw ma këpp ka saak bi mu tekk sama fii noonu la nekkee mu mujj rek affaire bi daal mënul nekk mënul nekk man sonn naa xale yaa ngee dee si yuuxu ma ne ko am na suñu dëkkaale ñu ngi foofu xaw na xëcce tuuti ñu dañu sore ak nit ñi ma ne ko dawal nga dem foo dawee yow mi génn xëy na balaa ñun ñëpp di dee daa ngeen am wàllu mun ma mënuma dem parce que ndax asamaan bi mi ngay kii mi ngay tàkk ma ne ko tàkk loolu melax la léegi kaa walla yoon bi gis nga bu melaxatee rek côté bii mu ngay jubali boo demee nga daw woo Assane Sarr ay guddi xaaja guddi moom moo daw mu dem fa gis nga dëkkaale ñu ñëw bu ñu ñëwee fekk ñun yu ñun jooy ba sonn yuuxu nañ ba sonn gisuñu kenn kenn yàgg nañu fa gisuñu kenn kenn yëgul. sa doom bi ah? daba ki gaañu ki kooku dama yaay génne ma maa ngi dee xëcc ma ma xëcc ni ko indil mu indi loxo muy xëcc ma xëcc man gisatuma ñu ñu réeroo après ñu ñaar si biir moom muy réeroo dafa surux si lal bi moo tax ñu réeroo. balankaar lal bi dafa dem moom mu ànd ak moom dem moom loolu tax sax ñu mujj réeroo ba nu ñëwee dund dindee dama leen dindi leen kee am kii ne fee xam naa moo gën a sonn man sax bu leen ma laal. Au poste de santé, le même décor s'offre à nous. L'infirmier et la sage-femme n'ont plus où passer la nuit. Dans le village de Témé, c'est une partie de l'école primaire qui a cédé, une situation globale à laquelle font face les autorités locales avec les moyens de bord, le réconfort tout d'abord. Officiellement, le nombre de décès est porté à trois, euh, deux filles, euh, l'une de 15 ans et l'autre de 4 ans, et un garçon âgé aussi de 4 ans. L'appel que nous lançons, c'est que la population a aujourd'hui besoin d'aide, une aide urgente et conséquente pour vraiment les soulager. Nous, nous que le gouvernement ak ay nu mu tudd ay ñi nga xam ne ñu ngi fi nekk di jàppale nit yi comme fondation Marème Faye bëgg na mu teel a duggal lokam si li ñu dal la riserie vitale a été aussi touchée le hangar de l'entreprise s'est effondré un peu plus loin nous voici chez le maire de ici des personnes ont été blessées. Le sous-préfet de Richard Toll et le commandant de la brigade de gendarmerie ont parcouru toute la zone sinistrée. Elle va largement au-delà d'Emban car dans la zone, la nature des constructions n'est pas à épargner les populations des conséquences d'une tornade, surtout quand l'effet de surprise s'y ajoute. Le bilan s'est l'ouvrir. aux dernières nouvelles, on parle de quatre morts. Restitution et validation du plan d'aménagement de la forêt classée de Sébicotane. C'est dans le cadre de la prise en compte de la dimension environnementale. Euh, dans la réalisation de l'autoroute à péage au niveau du tronçon au Diamniadio à IBD la direction des eaux et forêts euh, et de la conservation des sols en partenariat avec PICS a rencontré les différents acteurs au niveau local pour validation du plan. Philomène Constance tiagne après l'expérience d'aménagement de la forêt classée de Mbao, la direction des eaux et forêts se lance un nouveau défi, celui de la forêt classée de Sébicotane. Une étude approfondie a permis aux équipes de dresser un tableau de bord. C'est un beau plateau, mais depuis euh, la sécheresse des années 70, cette forêt s'est dégradée et a occasionné un ravinement terrible des eaux de pluie qui ont complètement balafré la ville de Sebekota. Nous avions euh, constaté aussi qu'il y avait une certaine dégradation, une certaine pression foncière. Tout cela relevait donc de ces parties diagnostiques de l'écosystème. Nous avons fait aussi le diagnostic socio-économique, où nous avons effectivement identifié dans ces forêts, euh, l'agriculture est déjà faite dans ces forêts, l'élevage, des vergers, vous voyez donc, du point de vue socio-économique, elle commence à jouer déjà un certain rôle. Au vu de tout cela, nous avons donc proposé euh, des actions concrètes allant dans l'aménagement. Et pour cela, techniquement, nous avons identifié deux types de séries. Ce qu'on appelle la série de protection et la série de production. La forêt classée de Sibicotan compte tenu du rôle important qu'elle joue dans la régulation des eaux dans le plateau du village de Diès, entre autres, se doit d'être préservée. Environ 50 espèces réparties au sein de 20 familles sont retrouvées dans cet espace, aujourd'hui occupé anarchiquement. C'est vrai que Sibicotan est devenu exigu. La pression démographique est très forte. La demande est très forte. La spéculation immobilière aussi y est très forte. Mais ceci n'empêche que je me félicite de la décision de l'État vraiment de prendre ses responsabilités et de décider à restaurer cette forêt, la partie qu'on peut restaurer, et à réaménager la partie à réaménager. Une approche participative a été adoptée pour le succès du projet. À 1000%, à 1000%. Hein, je suis prêt à collaborer et je, fais un appel aussi aux populations pour qu'ils le comprennent que c'est l'intérêt général de Sébikotan. C'est l'intérêt de la ville. Ce ne sont pas des intérêts particuliers qui sont visés. Il faut qu'ils le comprennent. C'est des terres du domaine national. L'État a le plein droit d'exercer ses prérogatives pour l'intérêt de tout le monde. Donc nous voulons faire des, mesures, euh, des activités de défense et de restauration des sols, c'est-à-dire euh, des cordons pierreux, des lutte euh, des, plantations biologiques pour fixer le sol afin de diminuer l'érosion, afin de diminuer le ruissellement qui va encore détruire les habitations. après cela, nous allons mettre, en place un comité, une organisation des acteurs. Il y aura maintenant des organisations internes qui feront que les populations, tout le monde pourra de manière participative euh, jouer dans l'aménagement de ces forêts-là. Avec 670 millions de budget disponibles, un gap de près de 180 millions est toujours recherché. Le plan d'aménagement de la forêt classée de Sébicotane couvre les dix prochaines années. Blanchiment de capitaux. Euh, les experts se penchent euh, sur la question pour réfléchir sur les voies et moyens de renforcer la lutte contre euh, ce fléau. Pour faire face à ces défis des temps modernes, les acteurs doivent s'impliquer et la coopération s'impose au plan national et international. C'est le constat fait lors d'un atelier à Bassor. En ratifiant la Convention de 1988, Convention relative à la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, et de substances psychotropes, le Sénégal s'engage à faire face au blanchiment de capitaux et la lutte contre le terrorisme. Blanchiment et terrorisme, deux fléaux de l'heure qui n'épargnent aucun pays. Les risques sont réels et visibles dans plusieurs secteurs d'activité. L'évaluation des risques consiste d'abord à apprécier les vulnérabilités et les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme au niveau de chaque secteur d'activité aux catégories d'assujettis. A procéder ensuite à la globalisation des résultats ainsi obtenus pour produire une cartographie nationale des risques sur la base de laquelle seront adoptées les mesures appropriées aussi bien au plan juridique qu'au plan institutionnel. Dresser la cartographie nationale des risques n'est pas chose aisée. Pour faire face à la criminalité financière, la coopération doit être de mise pour mesurer les performances du Sénégal en matière de lutte. C'est à cette condition seulement que toutes les informations permettant d'attester des progrès réalisés par notre pays dans la lutte contre la criminalité financière pourront être mises à jour et tenues à la disposition des évaluateurs et qui plus tard feront l'objet de publications à l'attention de la communauté internationale. Coopération, maître mot de cette rencontre qui a servi de cadre pour échanger sur les aspects de bonne gouvernance loin de la criminalité financière. Kies, la capitale du rail, a accueilli la caravane des PME. Cette rencontre avec le secteur informel et les petites et moyennes entreprises tiessoises est initiée afin d'informer sur le dispositif d'appui existant et qui leur permet de participer pleinement à la croissance. Hamidou Après Guédiouaï, la caravane des PME a pris le train direction Thiès, la capitale du rail. Ici, tous les acteurs du dispositif d'appui aux petites et moyennes entreprises sont mobilisés. est un carrefour c'est l'une des villes les plus importantes du Sénégal après Dakar. Et il y a un potentiel extrêmement important sur le plan industriel et agroalimentaire, avec toute une diversité qui va des produits halieutiques aux produits agricoles, sans compter cette vieille tradition du chemin de fer. Thiès, c'est la capitale du rail. Donc on ne pouvait pas ne pas passer par l'étape de Thiès après le lancement à Dakar. Ce passage de la caravane a permis de rappeler que le secteur informel est important au Sénégal. Il génère plus de 600 milliards par an et permet à 2 millions de personnes de travailler. La promotion des PME peut contribuer, d'une part, à induire une croissance inclusive au bénéfice des couches les plus défavorisées, on a cité les femmes et les jeunes, par la création d'emplois et de revenus. D'autre part, cette promotion concours au développement d'une classe moyenne d'entrepreneurs capables de relancer la consommation des produits locaux, mais aussi à la redynamisation des organisations d'employeurs par une diversification des activités qu'elles couvrent. Les petites et moyennes entreprises sont le moteur de la croissance. Elles permettent aussi la création de richesses et pour les accompagner, le gouvernement du Sénégal a mis en place le programme d'appui au secteur informel PASI. Cette caravane, il faut le rappeler, vise à délocaliser, à rapprocher et à vulgariser le dispositifs d'appui aux petites et entreprises, mais également aux entrepreneurs porteurs de projets mis en place par son Excellence le Président Macky Sall. Cette caravane a été relancée, chers amis, pour communiquer avec les acteurs économiques sur le dispositif d'appui aux PME, disais-je, afin de répondre à un besoin important d'encadrement, de formalisation, mais également de promotion des unités entrepreneuriales à même de contribuer à la transformation de la structure de notre économie. Dans la région de Thiès, la caravane a visité des unités économiques à Thiès, à Taïbandiaï, à Rambol à Djobas, par tous les promoteurs économiques ont fait montre de disponibilité pour exploiter les potentialités du terroir. Sur ce plateau, le docteur Malik Diop, directeur général de l'ACPEX, notre invité, vient nous parler de la foire de Flandre en Belgique, le Sénégal, qui euh, cette année est le seul pays africain. Ah, ah bah, après plusieurs années, il n'y a pas encore eu un pays africain invité d'honneur justement de cette foire. Vous y allez euh, justement pour vendre euh, les produits sénégalais. Alors, parlez-nous tout d'abord de ce que vous allez amener à cette foire-là. Alors merci beaucoup. Donc euh, je voudrais euh, pour cela dire que le Sénégal est pays invité d'honneur de la foire de Flandre. C'est la 51e édition, mais également euh, la foire de Flandre, c'est depuis 71 ans. Depuis 71 ans, vers les années 70, il y avait un pays africain qui a été une fois pays invité d'honneur. Et c'est la deuxième fois dans l'histoire euh, de la foire de Flandre que le Sénégal, un pays africain est pays invité d'honneur. C'est un honneur extrême vraiment pour euh, le Sénégal, d'autant plus que la foire de Flandre, euh, c'est 82 000 visiteurs. C'est également un parterre économique extraordinaire parce que la, la Flandre, c'est 70% de l'économie belge. Nous allons y aller pour confirmer ce que nous avons fait sur les exportations. Vous savez, les exportations du Sénégal aujourd'hui au 31 décembre 2015, euh, c'est 13,7% de croissance des exportations, soit 1370 milliards d'exportations, quittent le Sénégal pour aller vers l'extérieur, mais surtout c'est une économie croissante parce que ça rentre dans le cadre du PSE, ça rentre également dans le cadre de la croissance économique qui est à plus 6,5%. Euh, Nous allons exposer sous 1034 mètres carrés. 1034 mètres carrés d'exposition, c'est la première fois que le Sénégal euh, arrive à ce niveau d'exposition. Ce sera le plus grand pavillon de tous les exposants qui seront là, tous les pays qui exposent. Aujourd'hui, euh, c'est 250 exposants. Le Sénégal aura le plus grand pavillon. Maintenant, le contenu. Nous avons 25 entreprises qui vont euh, effectuer cette exposition. Le secteur de la pêche sera un secteur très important dans le cadre de l'exposition. L'agriculture, que ce soit le frais, que ce soit les produits agricoles transformés. Mhm. Nous allons exposer également dans le secteur de la gastronomie, parce qu'aujourd'hui, euh, l'agriculture sénégalaise euh, fait que euh, la, production sénégalaise augmente à plus de 57% de croissance. Vous avez vu la croissance de la production sénégalaise, mais cela doit se manifester sur le plan gastronomique. Donc la gastronomie sénégalaise également euh, sera euh, à l'honneur. L'éthique et les téléservices. Le Sénégal est un euh, pays où dans ce secteur nous sommes très en avance, aussi bien au niveau africain qu'ailleurs. C'est cela que nous allons montrer donc à, l'extérieur. L'horticulture sénégalaise, vous savez, on est à plus 35, 35 de croissance du secteur horticole en termes d'exportation depuis trois ans. C'est énorme. Euh, sur le plan agricole, aujourd'hui, l'arachide, le Sénégal, en deux ans, est devenu premier pays exportateur d'arachide en Chine. C'est une réalité et ça, nous allons le montrer. Nous allons également faire ce qu'on appelle un forum économique. Le forum économique va euh, regrouper un ensemble euh, d'entreprises sénégalaises qui vont faire des échanges avec des entreprises belges. Aujourd'hui, sur le parterre, sur... le, plateau informatique que nous avons mis en place, 2500 entreprises belges ont été contactées et ce seront réellement d'abord une présentation du plan Sénégal émergent dans son volet investissement et dans son volet opportunité commerciale. Et après, nous allons passer pas à uniquement du networking, mais à des B2B qui vont euh, permettre déjà à nos entreprises de pouvoir exporter directement au niveau euh, européen, mais également à certaines entreprises euh, de pouvoir investir au Sénégal. Ça également, mhm. c'est une réalité. Il y aura également une journée de l'habitat où euh, nous allons euh, présenter toutes les opportunités donc, euh, au Sénégal en termes d'habitat, les entreprises aussi bien du secteur privé que du secteur public. Alors, euh, eh ben, euh, on peut s'en arrêter là, vous avez presque tout dit. <laughs> sauf que, sauf que euh, le Sénégal, une destination d'affaires, c'est le, thème avec lequel vous allez justement défendre les couleurs de notre pays à, à cette foire en, Belgique. Oui, c'est très important. Aujourd'hui, le Sénégal, comment le Sénégal va à ces rendez-vous économiques extrêmement importants, les foires, les salons, les expositions, les missions économiques et commerciales nous y allons avec euh, ce que nous faisons de mieux au Sénégal, le Made in Sénégal. Le Sénégal, effectivement, est une destination d'affaires. Après le lancement du plan Sénégal émergent par le président Macky Sall, il y a eu euh, une ouverture assez importante à, l'extérieur, aussi bien euh, dans le milieu, dans la zone américaine, dans la zone asiatique, dans la zone européenne, qui est classiquement, nous avions des pays où on faisait des échanges de manière classique. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. On est ouvert vraiment à tous les pays. La destination d'affaires, c'est que le Sénégal, c'est non seulement une destination d'investissement, vous avez vu euh, le système euh, qui se fait au niveau de Diamniadio aujourd'hui, avec le parc industriel, où euh, une partie a été mise en place par l'État du Sénégal et une autre partie sera également en relation avec des investisseurs étrangers en partenariat public-privé. Mais à côté de cela, le Sénégal également, au-delà des investissements, est un pays qui produit, qui transforme et qui a un objectif principal, exporter au maximum. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que pour les pays émergents, la majeure partie des pays er, émergents, quel que soit le continent, ne peuvent émerger si tout se fait en termes d'importation. Il faut rééquilibrer la balance commerciale. On est en train de le faire aujourd'hui avec la croissance des exportations, mais il est important également de montrer la qualité de ce que les Sénégalais peuvent faire en termes d'artisanat. Euh, l'artisanat aujourd'hui, euh, c'est un, secteur euh, très important où aujourd'hui des exposants pourront montrer ce qui, se fait, ce qui se fait le mieux en termes de confection, en termes de cuirs et peaux, en termes de bois, etc. C'est ça aujourd'hui ce qui rend réellement très très important un rendez-vous tel que la foire de Flandre. Je voudrais juste terminer en disant que si nous arrivons aujourd'hui à réaliser euh, cela à l'extérieur, si le Sénégal devient réellement une attraction à l'extérieur en termes de production et d'opportunités commerciales, il faut également qu'au Sénégal, que les Sénégalaises et les Sénégalais sachent également consommer sénégalais, parce que c'est ça qui fait avancer un pays. Merci, docteur Malik Diop. Euh, je rappelle que vous êtes le directeur général de l'ACPEX, que vous préparez la foire de Flandre en Belgique, le Sénégal, pays invité d'honneur. Et il y aura même une journée dédiée à la diaspora où vous allez parler d'habitat. Exactement. Merci, euh, docteur, et euh, voilà, bon voyage. Promotion de l'alphabétisation, bientôt un dispositif de validation des acquis de l'expérience euh, euh, qui sera mis à la disposition des facilitateurs en atelier d'élaboration des documents cadres pour la mise en place de ce dispositif. C'est ouvert ce mercredi. Pape Collingham synthèse. Au Sénégal, beaucoup d'efforts ont été réalisés dans le sous-secteur de l'alphabétisation malgré la faiblesse des ressources. Convaincus que l'alphabétisation constitue un levier de développement, les acteurs plaident pour l'amélioration des enseignements-apprentissages. Malgré tous les efforts, le taux d'analphabétisme au Sénégal tourne autour de 54,6%, avec en majorité des femmes analphabètes. Du point de vue de la qualité, malgré tous les efforts qui ont été déployés pour élaborer des référentiels de formation, pour avoir des guides hein, pour l'alphabétisation, dans une approche par compétences, avec aussi les efforts de formation de ces personnels, il s'avère qu'il y a encore beaucoup à faire pour disposer d'un personnel de formation de qualité. Selon les acteurs, un personnel de qualité bien formé passe nécessairement par la valorisation des acquis des expériences. La valorisation des acquis de l'expérience permettra maintenant de reconnaître ses compétences, de lui trouver des, équivalences et de pouvoir lui trouver un plan de carrière qui lui permettrait, quand on l'utilisera soit dans les programmes de l'État, ou dans les programmes des organisations de la société civile qu'on puisse dire voilà le niveau auquel il faudra le situer et voilà en termes de rémunération le niveau salarial qu'il pourrait euh, mériter. Nous allons partager ces documents et nous allons recueillir tous les avis, les suggestions euh, pour arriver à leur validation finale. Et ces documents sont des documents vraiment de référence pour améliorer l'éducation au Sénégal. Après cet atelier, les acteurs de l'alphabétisation ont organisé une caravane de sensibilisation dans la commune de Yombol Nord, une façon d'annoncer le démarrage des activités marquant la 41e édition de la journée internationale dédiée à l'alphabétisation. Cette année, le thème est lire le passé, écrire l'avenir et Fatih va abriter la cérémonie officielle de lancement des activités. Éradiquer l'analphabétisme au Sénégal d'ici 2023 L'objectif reste à portée de main pour le Sénégal. Si le pays réussit le passe le programme d'accélération de l'alphabétisation au Sénégal, propos de Youssou Touré, le secrétaire d'État aux langues nationales et à l'alphabétisation et l'invité de l'émission Le Point, cela à la veille de l'ouverture de la 48e, 41e semaine nationale de l'alphabétisation dont il salue le thème « Lire le passé pour écrire l'avenir ». L'éducation, l'enseignement déjà, c'est de la pédagogie. Euh, c'est-à-dire que nous devons nous adosser sur le passé pour nous ouvrir vers l'avenir. C'est important. Euh, nous avons besoin évidemment de l'expérience et de l'expertise de ceux qui nous ont précédés pour bâtir un Sénégal nouveau. Et ce Sénégal nouveau, nous ne pouvons pas le bâtir sans pour autant prendre en charge les préoccupations des populations à la base. Donc l'alphabétisation doit, jouer un rôle important. Mais important, parce que l'alphabétisation, on combat pas l'analphabétisme, mais l'ignorance. C'est-à-dire, autrement dit oh, Autrement dit, la lutte. Vous, savez, euh, quand des populations sont préparées à affronter toutes sortes de difficultés qui se posent à elles, comme l'irrédentisme, comme le terrorisme et autres, tous ces mots aujourd'hui qui, gangrènent la société, euh, nous aurons euh, fait des pas importants dans la prise en charge de ces questions-là. Donc il est important, je crois, que et il faudrait sans féliciter, euh, cette volonté politique clairement affichée, et nous estimons que nous sommes sur la bonne voie. Maintenant, avec cette volonté politique du président de la République clairement affichée, nous espérons que d'ici 2019, il y aura des changements notables par rapport à ces, difficultés auxquelles nous sommes confrontés. D'accord. semaine nationale de l'alphabétisation qui débute demain, le point à suivre juste après cette édition. Il est en construction et devra ouvrir ses portes aux meilleurs élèves dans les matières scientifiques en classe de 4e et 3e. Ils seront 60 pour la première année. C'est le lycée scientifique d'excellence de Durbel, le premier du genre au Sénégal, l'établissement dans lequel on entre par voie de concours vise la promotion des profils pour les sciences et techniques. Cédina Lunfal nous le présente. 80% des candidats au baccalauréat cette année viennent des séries littéraires. La réorientation du système éducatif sénégalais vers les sciences, mathématiques et technologies a été décidée en 2013 par les autorités en vue de rééquilibrer notre système éducatif. Plusieurs actions ont été menées. réaction du lycée scientifique d'excellence de Durbel entre dans ce cadre. C'est une première dans l'histoire du Sénégal, un lycée d'excellence entièrement dédié à l'enseignement scientifique. Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a pris un décret, n'est-ce pas euh, Un décret, c'est le 2016-1226, le 19 août, pour matérialiser cet acte politique très fort. Et six jours après, M. le ministre de l'Éducation nationale, Sering Baïtiam a pris un arrêté, n'est-ce pas, pour décrire dans les éléments de contenu quelles sont les conditionnalités pour accéder à cet établissement-là. Le lycée scientifique d'excellence se situe dans la commune de Patar, à Djurbel. Deux blocs pédagogiques et trois autres destinés au logement sont construits. L'établissement fonctionne en régime internant. Pour la rentrée 2016-2017, 60 élèves scientifiques seront admis dans ces locaux qui comptent 16 salles pédagogiques. Pour la première année également, deux classes de seconde seront ouvertes en raison de 30 élèves par classe, garçons et filles. Ce lycée va accueillir des élèves issus de classes de troisième. Euh, et les conditions sont également décrites dans l'arrêté. La première condition, c'est qu'il faudrait que l'élève, euh, il faut, faut qu'il, durant son cursus de la sixième à la troisième, qu'il ne connaisse pas de redoublement. Ça, c'est la première conditionnalité. La deuxième, c'est que sur les séries scientifiques, sciences de la Terre, sciences et vie de la Terre, euh, si vous prenez mathématiques, sciences physiques, il lui faut au moins une moyenne de 15, au, moins de 15 sur 20 en quatrième et en troisième, dans ces matières scientifiques-là. Il faut également une moyenne générale en quatrième et en troisième, au moins de 14 sur 20 pour être candidat à cet examen-là. Il faut avoir le BFM. E Voyez-vous, il faut avoir le BFM e aussi. Et il faut être âgé au plus de 17 ans, au plus euh, de l'année du concours, donc au 31 décembre de l'année du concours. Les travaux sont en phase terminale. Le bloc pédagogique est fin prêt. D'ici l'année scolaire, on pourra livrer le chantier parce que déjà, le bloc administratif est déjà terminé. Vous, avez vu, on est en phase de peinture. L'intérieur des bâtiments euh, euh, sera peint. L'extérieur des bâtiments euh, euh, sera fait, au mois de septembre parce qu'avec les pluies aussi, on, a pensé euh, retarder un peu la peinture intérieure jusqu'à la fin du mois de septembre. les blocs pédagogiques aussi seront terminés. Le premier palier pour les hébergements aussi seront aussi livrés d'ici le 15 septembre. Il n'est pas exclu l'octroi de bourses aux élèves admis au lycée d'excellence de Durbel. Les enseignants et les personnels d'encadrement seront sélectionnés et vont bénéficier de primes de motivation. Les chefs d'établissement et les associations de parents d'élèves sont ainsi invités à présenter les candidatures des élèves éligibles au niveau de chaque région. Parce que si, par exemple, euh, un élève, un excellent élève, euh, il y a des rencontres, il y a des difficultés, par exemple, ne soit pas pris, en charge parce que tout simplement, si ces dossiers ne sont pas complets ou euh, les dossiers n'ont pas été justement assimilés à temps, euh, ça, c'est un gros. ça, fait, beaucoup de problèmes, ça fait beaucoup de problèmes. Donc nous nous, sommes investis euh, en direction des parents et des chefs d'établissement pour la confection et l'asseminement rapide des dossiers. Pour, pour être, pouvoir être candidat, il y a ce qu'on appelle la présélection. Donc chaque région, chaque académie va devoir présélectionner ses candidats. Et ce sont ces candidats qui vont se présenter au concours national dont la date sera fixée ultérieurement par le ministère de l'Éducation nationale. La date et les liens du concours ne sont pas encore connus et seront fixés par le ministère de l'Éducation nationale. Mais la date limite de dépôt des dossiers des candidatures pour les élèves est prévue pour le 26 septembre. Tabaski, à quelques jours de la fête de la capitale, est plutôt bien approvisionné en moutons. Au niveau des deux voies du camp pénal de Liberté 6, les vendeurs sont bien fournis en électricité et en eau. Seulement, ils trouvent euh, les rotations en eau insuffisantes, tout comme la sécurité pour éviter les vols. Luis Pizza. Deux voies de Liberté 6, l'itinéraire attire de pas la présence des moutons tout le long du camp pénal, des éleveurs venus écouler les bêtes et qui sont sur les lieux 24 heures sur 24. Au niveau sécuritaire, c'est nous-mêmes vendeurs euh, qui s'en chargeons. Donc nous travaillons 24 heures sur 24 avec deux équipes, chaque jour 12 heures de temps en fait. Il y a certains jeunes qui sont allés dormir pour se reposer. Nous, nous sommes là le matin, nous quittons à 22h, 23h. Il y a une autre équipe qui va, qui va passer la nuit. D'aucuns déplorent le manque de sécurité. Ailleurs, sur d'autres points de vente, les policiers et les ASP sont bien présents. Parce que surtout, Cette année, la mairie nous a donné des badges. Ils veulent sécuriser davantage euh, les lieux. Pourquoi nous avons des badges euh, et ça nous permet alors d'améliorer la sécurité pour cette et même si les agents de sécurité ne sont pas déployés à chaque point de vente, ils procèdent tout de même à des patrouilles. Tout comme ces patrouilles, les camions citernes font des rotations. À chaque passage, ils font le plein des fûts. Les camions citernes passent euh, souvent pour nous donner de l'eau ah. et nous n'achetons pas l'eau ici. L'eau ah, est gratuite. Des rotations loin de satisfaire tous les vendeurs. Là, il y, a un petit souci parce que les, les camions citernes, donc ils passent une fois par journée et c'est le matin. Et vous voyez, si on a des centaines ou bien une cinquantaine de, de moutons, ça pose énormément de problèmes pour l'approvisionnement en eau. Et si les vendeurs ne sont pas loin de s'accorder sur la distribution en eau, c'est tout le contraire pour l'électricité. Chaque point de vente a du courant en abondance. Bah, pour euh, l'approvisionnement en électricité, c'est les services compétents, c'est-à-dire euh, le ministère de l'élevage donc, euh, et les autres autorités qui s'en occupent en fait. on a l'électricité 24 heures sur 24 pour ce, cas-là, il n'y a pas de souci. L'occupation d'un espace sur les points de vente est gratuite. Les services du ministère de l'élevage ont rendu le commerce simple. Ces vendeurs ont encore quelques jours devant eux pour assurer la vente des moutons. À Matam, les tailleurs ne ferment plus l'œil la nuit. Pour euh, respecter les délais, ils mettent les bouchées doubles afin de satisfaire la demande. Les tenues vont avec des chaussures made in Sénégal et des coiffures qui varient selon la tête des clients. Oumou euh, quelques jours seulement avant la fête, c'est la course contre la montre chez presque tous les tailleurs de Wurosugi et de Matam. La plupart d'entre eux ont même songé leurs horaires de travail. On a, barré euh, depuis, longtemps parce que le travail est assez difficile. Euh, surtout à cette période-là, comme je l'avais dit tout à l'heure, les clients sont nombreux et certains viennent avec deux boubous, trois boubous. si on fait ça, ça devient, ça prend du temps et pour éviter euh, de, ne, de, trahir les clients ou bien de poser certains rendez-vous, nous préférons euh, limiter les choses. Euh. Aujourd'hui, actuellement, nous travaillons à partir de, de 9